Bien, euh, ce qu'il faudrait d'abord dire, euh, c'est assez déplorable. C'est assez, c'est, très déplorable. Donc hier, nous avons pensé que le Mali était, euh, ou du moins la faiblesse de l'État malien était la base ou la cause essentielle qui expliquait la récurrence des attaques dans la région de Tillabéri. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit progressivement que, et de toute évidence, il y a d'autres facteurs aujourd'hui euh, qui limitent un peu l'efficacité de l'intervention de nos forces de défense et de sécurité dans la région. Euh, c'est très déplorable dans la mesure où, euh, malgré l'état d'urgence décrété, malgré les mesures et les dispositions prises, malgré la présence massive, si vous voulez, de forces de défense et de sécurité et des bases aussi étrangères dans la région, euh, les morts se comptent toujours par euh, dizaines ou par centaines. Euh, ce qui est arrivé hier prouve encore une fois de plus qu'il y a une nécessité, j'allais dire, criarde de réviser un peu le système de défense et de sécurité de notre, de notre pays et de prendre en charge un certain nombre aussi de présenteurs. À la lumière de ce qui s'est passé hier, dans un premier temps, ce qu'il faudrait à euh, reconnaître, c'est d'abord le premier facteur, c'est l'immensité du territoire nigérien. 1 267 000 km où les sollicitations d'un point de vue défense sont énormes. Il serait difficile pour notre dispositif militaire aujourd'hui d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire nigérien. Donc le premier élément. Le second élément, il y a une base, moi que j'avais toujours euh, décriée, c'est le fait que l'État n'est pas véritablement investi dans la gestion de son territoire. La gestion de son territoire, ça veut dire tout simplement que l'État laisse des villages se créer à tort et à travers. Je cite un exemple assez matériel aujourd'hui qui prouve que la, concentration des villages sur une aire territoriale est importante pour que l'État puisse assurer sa sécurité. Donc, au Niger, le Niger est, dans le Niger, c'est trop facile de voir dans un périmètre de 5 km vous allez voir plus de 10 villages. L'État ne doit pas accepter cela. Pour pouvoir assurer à la population une sécurité relative et un accès beaucoup plus facile aux services sociaux de base, l'État doit travailler pour que le territoire ne soit pas, euh, j'allais dire, euh, un no man's land où chacun crée son village, où chacun crée son, groupement, où chacun crée son, euh, sa ville. Aujourd'hui, le Niger a, a de la peine à assurer la sécurité des personnes et des biens parce qu'il y a trop de villages au Niger.